17 avril 1946, jalon historique de la communauté Tiantacone. Il s'agit du jour de la première rencontre terrestre entre Serigne Betchetoun et Serigne Saliou Le rendez-vous salvateur, Serigne Saliou, Serigne Betcho, aussi profond que les pieux d'une fondation. 17 avril et le soubassement des belles façades. 17 avril 1946. Semence de notre délivrance. Cette rencontre miséricordieuse, en période d'essartement, anoblit la terre au lendemain d'une guerre. 17 avril 1946. Lendemain de guerre, il fallait nécessairement un remède universel, un sauveur magnanime, ample et généreux, Sorin Beketun, notre maître. 17 avril 1946, la rencontre inattendue dans un village du nom de Tasset qui a occasionné des grâces en multiples facettes. 17 avril 1946, rencontre miséricordieuse entre Serine Saliou Baké et Serine Betchetchoun, deux constituants une unité, facteur de gratitude, d'abondance et de félicité éternelle. 17 avril 1946, théâtre de l'entrevue, au champ paternel, grâce à laquelle l'agrément divin nous a été octroyé. L'entretien du matin, avec bail Guillet comme témoin oculaire, 17 avril la première tasse de thé par tous convoitée chez Baïsman, 17 avril. 17 avril 1946, Serine Saliou offrit à l'élu le thé à tassette. Ainsi, Serine Beto seul but à la tasse de l'unité secrète. Par amour, une course s'imposa. Par amour, Serine Saliou l'éleva. Par amour, il est la réalité de Sorin Saliou, Sorin Beketchoun, 17 avril. 17 avril, jour de délivrance de par sa quintessence spirituelle et ses cortèges de bienfaits dépassant l'entendement humain. 17 avril 1946, summum des actions de grâce où Serine Saliou laissa jamais des traces en son serviteur éternel, sans disgrâce. Être ton tacone est ton don grandiose du divan, redevable au 17 avril, jour de clémence, source incontestable de notre agrément. Sacré date, le secret des dates, il n'y a jamais 18 sans 17. 17 avril, synthèse des données. Bénédictions et saluts seront accordés aux privilégiés qui partageront les grâces du 17 avril à Madi Salam. Venez nombreux, sans exception, festant de mets succulents au rythme du Coran et des chassaïdes, dans la félicité manifestée au 17 avril. Une rencontre, une histoire, une victoire, le début d'une gloire, lancée par Serine Saliou Mbaké pour Serine Betch et pérennisée par son de Saliou Thoun, begum sering baca choune